Il y a 650 fabas reconnus officiellement par la mairie qui ne consomment que du gasoil. Minibus qui font l'interurbain, qui partent Terra, Dosso, et aussi, Kilaberi, et aussi, ils consomment du gasoil. Il y a tout ça à revoir. Et, et la charge de tout ça, c'est euh, au, dos du chauffeur. C'est le chauffeur qui supporte tout. Vraiment, on a un manque à gagner. Quand tu reprends avec l'ancien tarif et le nouveau, nous avons un manque à gagner de 3 900 par jour. 3 900 par jour, quand tu calcules ça, en un mois, ça te fait 117 000 francs. C'est le manque à gagner du Le versement, c'est 15 000. Et où est le gasoil Où est l'apprenti Où pour que, combien tu vas laver le véhicule le véhicule, il faut chaque jour, il faut, il faut programmer 1000 francs ou 1500 pour le lavage. On veut vite, vite que le président de la République, qui est le responsable, il n'a qu'à prendre des décisions sur notre cas. Le ministre des Transports vient de sortir un communiqué de ne pas augmenter sur les prix. C'est pas possible. Il faut qu'ils revoient leur cas et puis voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on n'a pas augmenté. Ce sont les chauffeurs qui ont augmenté 75 francs. Mais c'est beaucoup. Compte tenu du coût, nous-mêmes, nous voyons que c'est beaucoup. Nous avons dit au ministère des Transports de nous proposer, de nous donner une proposition de prix pour qu'ils ont dit que vraiment ils vont en discuter parce que c'est les, arrêtés qui fixent les prix. L'arrêté qui va fixer les prix, là, ils vont s'entendre avec le ministère du Commerce pour, pour revoir l'arrêté.